téléspectateur Prestige TV salaamaaleykum euh, mbokk internet yi du ma fàtte benn yoon ñi nga xam ne ñoo yor suñu application via Play Store wala via Apple Store euh, ñëwati nañ ci seen biir émission aar la aar la nag saa su ne nii lay demee dinañ dem di seeti képp koo xam ne yéen a ngi yëngatu ci aar aar la dina ñëw jàkkaarloo yow fas yéene waxtaan ak yow ci sa aar bi ngay def tey nag ma indi invité bu am bu am solo invité boo xam ne ndaanaan la biir Sénégal muy Doudou Konaré Doudou Konaré nuyu naa la. Euh, Cécile waaw ah, sant yàlla bu baax. <laughs> kontaan ci invitation bi. <laughs> maa ngi lay bàyyi nga nuyu askan wi lay seetaan. Euh, asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa Aduna. di kontaan ci émission bi vraiment c'est un plaisir de d'être là. <laughs> ginnaaw bi ñu nuyoo ak Doudou Konaré dañuy bàyyi ngeen daal di déglu loolu nga xam ne mooy biographie am bu ko defee ñu am ci tuuti loo leen mën xel ci di ci plateau bi. Monsieur Doudou Konaré est un instrumentiste, auteur, compositeur, interprète et arrangeur. C'est également l'un des hommes de l'ombre ou encore l'un des musiciens plus ou moins en retrait devant les médias, mais qui ont participé à la création de l'identité musicale jazzy acoustique de l'orchestre Super Jamono. C'est dans celui-ci qu'il a passé 17 ans de sa carrière musicale. En plus d'être un guitariste reconnu, M. Konaré est un dessinateur autodidacte qui a en outre décroché sa licence en anglais. Nous biographie euh, euh, bon euh, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des chanteurs et un moment j'ai décidé de d'entamer une autre forme de de musique, de faire une musique plus personnelle, d'investir sur mon musique pop et puis essayer de, de faire une carrière euh, un peu plus personnelle. Quoi. Parce que l'expérience du moins d'aller, voilà aussi un concept mais c'est plus, euh, ça représente beaucoup plus ta personnalité musicale, artistique. Quoi. Euh, merci beaucoup Lolo Amnesolo. kan du coup, c'est euh, je suis un peu tombé dans la musique par euh, un peu par hasard quoi parce que au début j'étais plutôt peintre waaw dama de dessins, dessins de poèmes. et un jour mon papa dem jëndi dem euh, génn ma dit que je ma bien jouer. donc j'ai commencé par une guitare bon bon pis, quoi guitare plastique mhm. donc j'ai commencé bon d'une manière un peu naïve après bus bi j'ai commencé vraiment à... Euh, euh, voilà après j'ai acheté une vraie guitare acoustique. Euh, donc j'ai commencé à écouter un peu parce qu'au début je ne manquais même pas la guitare dans la musique mais que musique ni mais instrument mais comme j'avais une guitare donc j'ai commencé à repérer les sons de guitare mhm. et donc toutes les musiques le mot j'essaie de relever, de reprendre. Et j'ai appris comme ça, en essayant de, copier les autres. Et donc à la, fin, je suis retourné dans l'histoire de la musique. Parce que quand j'ai découvert un, guitariste, je me ah, suis dit, qui est maître Ainsi de suite, ainsi de suite. commencé à Et puis au Sénégal, j'avais des références, des, grands guitaristes. Je les voyais à la télé, donc je reprenais tout le monde, tout le monde, tous les guitaristes. C'est comme ça que j'ai j'ai commencé la musique. en fait mon école de musique mais comme j'étais dans les études quoi dans mon école mes parents ne voulaient pas que vraiment je fasse la musique euh, comme profession donc euh, bi ma demee ba euh, carrément ma mère m'a dit non da ngay faire Mais musique. ko moo on va faire un pacte de la musique nga bàyyi ma ma continuer musique la musique. Donc du coup, je ne pouvais pas aller à l'école de musique. quoi. voulais un bac aussi, je voulais faire des arts, parce que je dessine un peu aussi. Mais non, ils avaient des préjugés. quoi. Finalement, j'ai pris des bouquins, j'ai appris par les, livres. quoi. Et puis j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai contacté des gens, je suis allé voir des gens, on a joué ensemble, avec Échange Bobo. Voilà, et puis avec gloire musicale, j'ai relevé un morceau, de déglou, commencer à cultiver. Parce que la musique aussi, il faut qu'on écoute soo bouger jouer musique foog nga la musique bu bare waaw di déglu musique yu bare yoo c'est différent di inspiré di relever di job En aussi des bouquins aussi quoi boo xam ne parle de guitare tu vois voilà quoi c'est comme ça que on a appris sur le tas d'abord d'accord l'homme am solo donc quand euh, vous commencez def musique bi ginnaaw bi nga ko bi ko bi ko par hasard Quand nga ko commencé def j'ai en fait je au début j'avais un groupe de quartier donc j'habitais à la zone A on avait un petit groupe de copains nous jouer ensemble ñu ne booy dañuy former groupe quoi parce que xam nous répétait répété ci bi xam rek di jouer après bon benn moment bon groupe boobu tas quoi parce que après c'était pas bon on n'était pas pro quoi. un jour je j'étais devant ma maison Ibou Sissé, bi était ak il était au il jouait à la guitare là-bas mu nekk groupe bu quoi à l'époque Ibou dama mais boy, nous sama suñu suñu local bi quand on répète bu ñu paree ñu jox leen ngeen quoi ñu obal les jouer après quoi. bon après bon on a commencé à fréquenter le, le, le local de Senemal qui était à, à en face de, du lycée Kennedy donc bu ñu demee bu Sénémal yi répété ba nous rek ñu ñëw eh, grand abal ñu guitare quoi xam nga nekk fa et comme ça nag ça nous a vraiment passionné après ma fondé un groupe bu euh, j'avais dans le quartier je connaissais les Ndaxte Duba on a fait connaissance, on a intégré Kirby. donc on a commencé vraiment à faire des concerts, Tamango, jouer euh, que samba à l'époque. C'était des clubs de jazz. Donc si nous fait un répertoire, après nous avons nous jouer, ils nous payaient. C'est comme ça qu'on a commencé avec quatre personnes à faire du jazz. D'accord. Mm, d'accord nous amna euh, en tant que Doudou Konaré puis Sénégal nous avons ci super jamono euh, ñan nga jot a avant super jamono. comme je dis c'était le premier groupe boo xam c'était vraiment un groupe euh, assez solide Nous joué Etamango on faisait Cœur Samba on a joué à à Fall on a fait le Kang Foré on a fait un disque à Mentefal. Euh, on a accompagné beaucoup de chanteurs, on a fait beaucoup de galas. Les chanteurs comme qui on a, joué un peu avec euh, on a, on a joué un peu, euh, on a répété avec. Euh, comment ça s'appelle encore Jumbai. On a fait le cœur Viviane, est parti en Italie. mais comme on faisait beaucoup plus d'instrumental, jazz, on n'était pas très chaud pour jouer avec les chanteurs. Une fois, on a même fait un projet avec euh, le studio Happy de Jusnour, avec Abid On a fait un, disque, quoi, mais un disque de Moussoulgan. Parce que, après, on avait un problème de conceptualisation. Parce qu'il fallait une orientation. Est-ce que c'est jazz ou voilà, qui Bon, le projet n'a pas vraiment abouti, quoi. Euh, donc, après Kurgi, bon, Ismaël m'a vu. Parce que vu Macfay, c'est un, ami, j'habitais à la zone A, de 10. Donc, j'allais chez eux euh, il y avait Abid Faye, Lamine Faye, tout ça. Donc je l'ai fréquenté quoi. Un jour, je suis venu au club de Faye, deux guitares quoi. Nous jouais par tête guitare quoi. Je jouais guitare de jouer, je suis venu au club de Hey, mais bon, puis, mais tu joues comme moi toi. Fait que pendant 5 ans, j'étais tout le temps avec. Euh, je reprenais, reprenais les morceaux d'Ismaël Lo. Avec Khalat, avec Mouniel. Tout le temps, je suis venu quoi, Ismaël Lo. Sans connaître Vieux Faye. Hein. Comme ça, je me suis dit, mais boy, tu joues comme moi là. Je me ko ah mais je reprendre mais tu vas me remplacer chez Ismaël Lo ma dit non jamais mais non c'est pas possible Je me ma si tu peux le faire comme ça il m'a présenté Ismaël Madame ma Ismaël HLM on a discuté un peu première répétition j'ai repris tous les morceaux ils étaient complètement Il faut dire que non je connais les morceaux depuis 5 ans. à cause de Djueba. comme ça donc on a fait le tour du monde ah, vers les années 88 comme ça 89. On a fait tous les pays, Canada, Italie, voilà. On a fait beaucoup de tournées, quoi. Donc, Ismaël ça m'a beaucoup appris. J'ai connu Thombay, C'est l'année que je jouais Malak, comment, tu vois. Donc, ça m'a beaucoup appris, quoi. Après, par la suite, on a fait des Madja, Kinelam, voilà. Et c'est parti, quoi. Ok. Euh, de choisir euh, Super Djamono Super Djamono, en fait, c'est une longue histoire aussi. Comme je dis, je fréquentais la, la, la, 10, je connaissais la mine. Mhm parce que jot nga jaar ci ñom ki ne pourquoi tu ci ñoñu nga déposer tes bagages euh, ci Super Jamono. parce que je sentais beaucoup plus la musique du jamono parce que musique jamono pas am couverture xam nga musique jamono dang ci un peu de jazz. dégg ci un peu de blues. dang ci un peu de reggae. Il y a beaucoup de de de styles musicaux parce que ñi ko doon joué a ko créé Adam tout ça ils ont un background euh, très diversifié c'est pas des gens qui font que du malax. Donc je me suis dit Diamono de riche quoi. Donc ça m'a beaucoup plu. pendant des années, hein, j'ai écouté Diamono pendant des années, des années. Et Diamono aussi par euh, j'ai au début je remplacé un peu au morceau, de temps en temps. Période 1957, lettres, passeport. De temps en temps, nous quoi. Parce que Bob Sen, c'est mon neveu en fait, Bob Sen. On a des, liens de parenté quoi. Donc des fois nous sommes, nous au Omar. Par la suite, gars, il m'a boy, nous, sommes. En même temps, j'étais à Kinelam. Et Kinelam n'était pas contente. J'ai dû euh, <laughs> faire l'album euh, Derby à Kinelam. Mhm. Et bon, parler album direct, Madame Diamono. Quoi. Voilà, donc euh, ça s'est passé comme ça. Quoi. musicalement, qu'est-ce que tu dundé ci Super Diamono Ah mais c'est c'est super, c'est une belle aventure. Vraiment. C'est une aventure parce que j'ai fait 17 ans là-bas. Donc pour 17 ans, c'est toute une vie hein, pratiquement, c'est parce que voilà quoi, on a fait beaucoup d'albums, de, on a fait beaucoup de voyages, on a fait des rencontres. Est-ce un euh, Non, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment un chef d'orchestre, mais c'était pas vraiment. pas une dictature, voilà, c'est bon quoi. Parce que tout le monde apportait son, son, son savoir. C'était plus une collaboration. On m'appelle est très ouvert, donc c'est pas quelqu'un de fermé quoi. il te, fait, laisse faire la musique tu fais ta musique, bon, normal, il vient, il pose sa voix. C'est comme ça qu'on travaillait, quoi. Donc, euh, il y avait des travaux d'atelier. Donc, c'est plus un orchestre un peu reggae, genre reggae, avec la liberté qu'il y a là-dessus, feeling tout ça, voilà D'accord. Quelle est la différence entre un compositeur, un arrangeur, un interprète, avec qui est auteur L'auteur, c'est plutôt quelqu'un qui écrit les textes, les paroles, tu vois. Les euh, chanteurs du ballet, ils sont auteurs mais tu peux être chanteur sans être auteur Il y ñu bind parolier yu l'équipe de texte texte et qui ne chantent pas le texte mais auteur c'est celui qui a chanté le, la chanson quoi le compositeur moo la musique quand tu conçois la musique il ko bu mu baax compositeur bi seulement arrangeur bi nag qui euh, qui, qui choisit les différentes parties du morceau mooy agencer morceau dafa mel ni nga jël verre bi teg ko fii teg lii fii teg fii tu vois ni la morceau après bu y a une partie le pont après ni les jeexee c'est ça l'arrangement voilà donc euh, interprète bi ne suis pas na compositeur je ne suis pas auteur juste juste reprendre le morceau mais interprète c'est celui qui joue le morceau sur la scène bien quelqu'un qui chante tu vois c'est donc c'est les casquettes je ne suis pas double comme mën suis unique je nga auteur uniquement mën pas un compositeur uniquement je suis aussi interprète qu'est c'est tu ne crées pas da ngay ñëw ñu bindal la woy bi dafa la musique et tout nga ñëw rek woy ça là tu interprètes léegi par contre soo nekkee interprète auteur compositeur arrangeur là tu participes à toutes les étapes de la de la musique da ngay créer sa nom ce musique bind parole, yi woy ko arrangement bi et tout ça voilà nous les musiciens on est plutôt man personnellement je suis plutôt auteur compositeur arrangeur ah, interprète. quest nañ ko ci biir biographie lan mooy rôle du musicien

suis un super jamono sax suis naan Omar parce que super jamono groupe bi la musul dem way mom kessé sans yéen. kon ñun contre, nous, jouer sans <laughs> ñun jouer sans le chanteur parce que même les morceaux qu'il a chanté on peut les jouer sans la voix par contre le chanteur ne peut pas chanter sans les musiciens. loolu amna fenen mais amul won euh, ci super jamono. c'est même pas c'est pas vraiment élégant parce que chansons comme ça, a cappella, Muntayag quoi. À moins que tu fasses un truc euh, très court. Mm-hmm. Voilà, bon, avec beaucoup de gens, mm-hmm. comme euh, le projet de Fada Freddy là, mm-hmm. que j'ai beaucoup aimé, ah, mais c'est des. Il n'y a que des voix, comme instrument. Mais des belles voix. Bon, ben, genre harmonie quoi. mais belle voix c'est bon nous on a woy quoi. d'accord ndax yomboon nga yomboon na nga liggéey ni Omar Pène wa parce que xam nga xam nga ñun suñu fi jaar moo dimbali quoi je dis toujours je dis toujours que euh, musique dafa dafa laaj ben geste quoi te geste bi dafa dafa dafa laaj temps il faut que nga am euh, parcours une fois que tu as ce parcours là ben chanteur du la parce que man joué naa capverdien joué naa américain chanteur américain joué naa chanteur. Euh, euh, dans l'art. Donc, toutes les musiques, j'avais une notion, j'ai une notion de toutes Non, non, non, parce qu'on a, on a des notions de, dans toutes les musiques. Devenu jazz, devenu rock, devenu blues. Tu sais, on m'appelle, il faut tirer sur quoi. Donc, euh, forcément, il y a une euh, connexion, quoi. C'est pas, pas difficile. Euh, nañ ñu guitare basse ngay def solo solo ngay def lan nga ñuy expliquer ci guitare solo waaw ah, guitare Solo en fait c'est uh, c'est c'est comme boykat la mel quoi guitare bi day day woy parce que guitare Solo c'est juste uh, su nekkee ci ci morceau à un moment donné dafa am ay intervention humide. def donc soit c'est des mélodies soit mu répondre comme mu tontu woykat bi woykat bi mu en même temps mu nekk ci ben benn mélodie pour muy jouer tout le long du morceau Mon na def gimmick mon na accompagner y a une partie qui est ne carrément Il y a une baisse de tension en valeur parce que le solo bi lead il quoi à un moment donné musique guitare solo la guitare solo dirige le morceau parce que d'abord exprimer quoi y chanteur chanteur bi day guitariste bi wooye Il a guitare donc su vous guitare mais am ak solo

non non mais li ma expliqué moi, li au début on a parlé de j'ai parlé de de projet xam nga xam nga tout est projet dans la musique soo commencé tu es dans des projets. exactement Ben, projet day ben, ben, moment tu tu te répètes donc le projet na dafay dafay nekk dafa mel ni nga nga compter ba yegg foo xam ne ñu la fii mooy plafond bi après nag da ngay demaat ci beneen. début compter waat tabax leneen mel nga tabax benn kër ba mu ba mu sotti mhm. xam nga soo fa nekkee di tabaxaat encore du sotti parce que kër gi sotti na pare tu as tabax tu as construit un un truc pare na quoi léegi nag da ngay seet beneen villa boo xam ne beneen formulaire loolu la quoi une vie elle est faite de projet donc j'ai fait 17 ans là-bas euh, j'ai fait beaucoup de choses et benn moment da ngay am envie d'être dans dans un autre projet quoi peut-être beaucoup plus personnel quoi boo xam ne yow sa concept bopp ngay développer parce que avons développer ce propre concept à quelqu'un peut-être qu'il il a son concept déjà parce que dans une démarche quoi donc je me suis intégré à cette démarche là bon j'ai fait mes armes je crois que je n'ai plus rien à trouver là-bas quoi donc un moment j'ai envie de faire euh, des projets plus personnels Je loo xam man refléter personnalité quoi ak sama façon. gisoo sa personnalité ñu ngi ko doon génnee bi super jamono. si bien sûr mais comme je dis bokkul xam nga quand tu joues avec quelqu'un tu as trouvé un concept mais super jamono dafa yag école la Adama Faye jaar na fa Lamine fay jaar na fa donc mënoo fa c'est pas ton projet à toi c'est le projet de Omar moi j'étais au service de Omar parce que boo nekkee ak ben woykat tu à son service donc koy dimbali pour mettre ko en valeur parce que ñu bëri dañuy gens, da ngay ñëw si benn chanteur nga ne ah man maay chef bi non tu pas le chef le chef, c'est le chanteur parce que c'est son projet à lui. Même les mettre en valeur. même musicalement, tu fais tout pour accompagner, pour voir nec en valeur. Yo, tu es un peu derrière. c'est ça qui est normal. Parce qu'il y a un chanteur. Mais quand, quand tu es dans ton projet à toi, là, c'est toi qui es mis en valeur. Ben, concept, les hommes. donc, Lolo, beaucoup quoi. Mais n'est pas méchant, hein. c'est juste une, euh, un parcours de vie d'accord Tu as dit que tu ni un projet avec euh, Super Jamono Avec Omar PEN. Le projet boobu fan la mujj. Euh, non en fait ce n'était pas un euh, projet comme lan comme comme projet boo Un don projet boo leen doon ba ben instant je pense Omar PEN daf ko daf ko daf ko continuer comme ben projet yo bo defoon naturellement. ok un album comment on a ben album ak mom après bon on a dû arrêter parce que c'était on n'était pas d'accord sur le concept musicalement quoi projet projet là non c'est pas mon projet c'était un album pour lui un album boo xam album Super Jamono mais il me confié pour les arrangements arrangement bi tout ça quoi. c' pas la première fois hein j'ai fait des arrangements euh, car rapide bi mm-hmm. tu vois ma def donc c'est l'album tout entier maa mais pour vous c'était c'était un projet boo xam concept long mais comme on n'était pas d'accord sur le voilà le concept. benn moment il fallait que ma bàyyi mu def moom quoi mais c'était pas méchant. Hein. c'était pas méchant. Euh, gis nañ euh, ni euh, ni Habib Faye xamoon nga ko fa. jam si yàlla Habib Faye ah, lan ngay que ci moom loo xam ne tey jii bu ñëwaatoon tey jii si suuf ko dundaat ak moom. ah mais vraiment c'est de bons souvenirs ben, déjà déjà on était au lycée ensemble on a fait le Blaise ensemble. Nous étions au quatrième quoi donc lui il était di noonu musique ak il était beaucoup beaucoup plus impliqué dans la musique que moi quoi mais comme j'étais un peu absorbé par les études euh, donc euh, je pouvais pas faire tel bail de quoi musique quoi après on s'est retrouvé sur la scène musicale dans les tournées et puis on a fait beaucoup de productions pour Kinelam chaque fois man suis en quoi pour faire les guitares mais je garde d'excellents souvenirs parce que surtout les anniversaires de Kinelam qu'on a fait ensemble tu vois répétition on se on se taquinait on bon on était dans on le faisait au grand théâtre D'accord. nga. ceeb bu jën yu neex ak ñu lekk xam rek. il aimait bien manger ndeysaan. et puis on était waaw non waaw waaw on était on était vraiment des amis dëgg et puis même beaucoup daal dafa ma respecté woon ma joxoon cër quoi. xam nga bon chaque fois qu'il faisait un produit à kii ne la man lay quoi donc booy kaay def affaire yi parce que vraiment yow là ci beau quoi voilà donc euh, vraiment yàlla ko yàlla yërëm on a fait on a partagé d'excellents moments. nan expliquer li nga c'est juste que c'est un concept boo c'est une musique africaine mais qui a beaucoup d'influence externe quoi cest musique nourrir d'autres musiques mais tout en restant euh, vraiment africaine quoi. garde les racines mais y a beaucoup de d'influence de, toutes les musiques du monde en fait. Tu vois Maintenant, il y a afro-feeling quoi. Il y a l'afro-feeling, mais il y a le, côté moderne et tout ça. Voilà quoi. D'accord. Gis nañ ñu bi nga nekké won ci Père da ngeen daan voyager lu bari. Nan ngeen daan nan nga daan bolé euh, sa vie privée ak sa vie vie vie euh, professionnelle. Ouais, hmm, mais bon, il y a que na voyager donc c'est Et euh, madame, est-ce que comprendre le nom Oui, bien sûr, bien sûr. C'était pas c'était pas facile parce que Bon, des fois, tu restais deux mois, trois mois, euh, tu vois, voire euh, plus, en dehors du Sénégal. Mais si ça se passait bien, hein, c'était pas. Bon, c'était bien, quoi, on tout cas. gis nañ ni actuellement yaa ngi yaa ngi yaa nga way parce que kuy guitare moom presque mu ngi way ah oui, ah, way way bi nan nga ko nan nga ko euh, inspiré parce que gis nañ ni guitare bi lañ lañ lañ la gisee Oui, nga génnee way bi nan la ci yow ah, moi, je crois que c'est tous les guitaristes sont un peu chanteurs hein. ah plus ou moins parce que euh, peut-être malabi, du coup comprendre mais euh, tu apprends le blues par exemple le blues da parce que c'est des morceaux chantés donc y a un peu jazz des fois tu fais des des staccato dans les quoi da jouer dans les koy musique euh, c'est important de pouvoir chanter ce que tu joues donc soo on chantonner ces mélodie dafa lay aider quoi pour nga mën a gën a jàng li ngay parce que loo mën a way da koy mën jouer bu seetloo la balaa ngay mën a dara foog nga mën ko way mais tant que tu ne peux pas chanter une mélodie tu ne pourras pas la jouer donc loolu dafa lay yóbbu ba ba d'une manière euh, vraiment même involontaire nga commencé di woyantu quoi après bon chemin faisant comme en fait ñun on a un avantage par rapport aux chanteurs parce que xam nañu am guitare on peut se référer aux harmonies mën tabax sa way créer mélodie yi après wayaat ko donc ça ça peut t'aider quoi l'instrument dans les dimbali quoi bien qu'on n'est pas des chanteurs extraordinaires mais on peut chanter juste et puis def li ñu quoi. def li ngeen a def actuellement euh, yan projet nga nekk. waaw waaw maa ngi doon maa ngi doon def ay compo enregistré ndànk-ndànk waaw mais bon comme avec le Covid tout est en en stand by ñu ngi xaar quoi bon avant lol, fan nga de nañ fan nga ko doon orchestre national en fait je suis à l'orchestre national depuis presque environ 5 ans comme ça euh, donc on était dans des projets de faire des albums pour montrer la diversité culturelle du Sénégal musique du faire quoi séeréer euh, tout ça mais bon ni atelier ba quoi mais moi personnellement moi, euh, enregistrer de, petit à petit quoi, les, les morceaux, tout ça. déconceptualiser, décomposer quoi. Hum. euh, après Covid bi lañu mëna wax après Covid bi euh, ku bëgg sétane seetaan Doudou Konaré fan la koy fekk. bah mais xamaguma parce que il faut que ma def euh, il faut que ma am actualité après mëna a dara quoi parce que il faut que li may defar mu génn sur le marché éventuellement soo ko mën def dara quoi. Mhm. Euh, gis nañ ni aussi tamit euh, daan nga def euh, li nga daan nga nekk ci kii yu bari ay ay ay ay ay ay spectacle yu bari est-ce que nga dégg nit guitare loo xam ni neexu la nga daw rek daal di ciy jaaraat daan ne ko mel ni lu ko corriger te nit yi duñ ko xam. waaw damay gis kii kii man j'ai envie de jouer parce que je sens que mën naa ci def dara quoi. et je viens sur Non, non, même pas. C'est que j'ai juste envie d'apporter ma, ma, conception, quoi. Dans ma idée ma petite idée. Et j'ai envie de jouer, et je monte sur scène, et Ça, m'arrive juste. Ça m'est arrivé euh, aux États-Unis. Dans euh, Chicago, on était en concert là-bas. Je de concert, avec un ami, on s'est promené un peu. On est allé dans une boîte de blues. Mhm. on, joue du blues là-bas, quoi. On est au Dugutok. Après, j'ai vu un groupe avec un vieux pour mën a jouer quoi ñu jouer jouer jouer après j'ai dit à mon ami man j'ai envie de jouer ak gars yi hein. ah mu ne ma ah oui ma ko waay moo ko waaj waaj na ma ah oui ah bah. <laughs> après il m'a appelé voilà il m'a appelé ma yëg sur mais vraiment si ils étaient contents après quoi après ñu laaj ma foo jógee tout ça fan nga fan nga mais j'habite au Sénégal j'habite en Afrique ils étaient un peu surpris parce que pour ñoom mënu ma xam seen musique quoi moo c'est l'intérêt d'apprendre beaucoup de choses d'être ouvert quoi voilà voilà voilà

avec beaucoup de gens professionnels. Des il y a des gens qui apprennent, euh, qui, donnent des cours de chant au Sénégal. Des gens qui donnent des cours de guitare. Et vous parlez pour des cours de guitare avec expérience je, je, le fais, je le fais. Je, l'ai fait depuis des années, hein. je le fais depuis longtemps. Mais je ne le fais pas tout le temps parce que je n'ai pas tout le temps Il fallait un investissement personnel. J'avais des, élèves euh, français, euh, je donnais des cours depuis il y a, peut-être 10 ans. Hein. Mais il faut beaucoup d'investissement personnel, il faut comme temps, tout ça. Mais c'est important, j'aime bien échanger. Avec d'autres musiciens, quoi, échanger et euh, connaissances, tout ça. Pensez-vous avoir votre propre groupe Ben, groupe Bohamné, Bohamné actuellement J'ai joué au Jolof avec, euh, un groupe que j'avais conçu. Un groupe qui ramener proprement ce ce groupe là il faut que nga ah, mais en fait parce que les gens sont dans plusieurs projets donc nous mobilisons des nit ci un projet un projet personnel seulement tu as des musiciens vous avez des acquaintances vous avez vous avez des des feelings quoi vous, avez des les bons feelings donc c'est des gens qui sont qui ont envie de Ça, un projet les musiciens ils le font avec plaisir ils sont motivés parce que quand tu vois quelqu'un qui doit faire quelque chose xam nga a vas-y, fais-le. Ah, parce qu'ils ont envie de, que je fasse le, truc parce qu'ils sentent que ça peut être bien. Donc, l'oreille c'est important. Parce que pour mon projet, il faut la euh, connexion, connexion spirituelle. Il faut me sentir, me, me sentir là. Sinon, ce n'est pas la peine. Parce que si on passe-passe, tu me mets, tu sortis quoi. Il faut que tu aies envie de faire la chose. Tu vois C'est comme une quoi. le on ne peut rien construire pour construire quelque chose il faut ñu am benn euh, des affinités musique non lan la mel quoi un groupe c'est un esprit c'est des c'est des c'est une connexion xam nga da ngay dem ba des fois sax bu retrouver sur des idées yoo xam ne yow waxuma la waxoo ma mais li may xalaat ngay xalaat tu vois wala ñu daje ci benn euh, endroit ci benn ci benn xalaat boo xam ne dafay nice waaw dafa dafa laaj loolu quoi musique

c'est la même chose parce que moi j'aime jouer avec chanteur. non Omar pas carrière Pareo pour ah, bien sûr s'il y a un projet ah, un, projet c'est ponctuel madame ah, tiens j'ai un affaire on va le faire pendant un mois bien sûr non musique pour le moment, en fait tous les musiciens vont collaborer parce que nous nous génération Parce que parce que nous, Youssou Ndour bu joué ak man mais am na lu ñu mën a def loo xam ne day intéressant peut-être mosuñu ko def man mosu ma ko def moom mosu ko def pen bu joué ak Youssou Ndour c'est ça intéressant Wally bu joué ak euh, Youssou Ndour mën na nekk intéressant donc loolu ñuy wax featuring dafa am solo trop ci musique parce que day tax musique bi ci boppam dans l'ensemble day avancer mais ku nekk bu nekkee sa coin musique bi pour man ça ne sert pas la musique quoi waaw collaboration dafa am solo d'accord Le, solo ban ban ban ban conseil ngay parce que gis actuellement euh, li comme actualité corona la ah, wala euh, dernier mot ah, bon euh, parce que Yalla mom lu la gis rek quoi on est juste on est là pour une mission quoi ak jeune guitariste yi nga xam commencé nañu ah grand grand Doudou lim leen lim leen wara a mën apporter ah euh, nan la ubbee pour ñëpp mën ñëw ci mom dal non y a de bons guitaristes nag wax dëgg yàlla am guitariste bu xarañ yoo xamné franchement. mais grand Doudou mom ils sont très bons. grand uh-huh. ah non man kay man je suis bon j'ai toujours fait ça hein. j'ai toujours eu des amis guitaristes on a collaboré ensemble euh, amni nañu ay jaar-jaar quoi y a beaucoup de guitaristes yo xamné on se connaît très bien, on a eu à... Comme, comme, comme, comme Doudou, comme Kinek euh, Flash, Toto. Toto, sama mon on a Jano Jano Mendy, qui est à Guyane. Ah, il fut mon élève, on était chez moi, une fille, mais c'est un excellent musicien, voilà donc euh, il y en a beaucoup quoi euh, vraiment vraiment nous avons am quoi donc musique à venir bu ñu bu ñu toppee bu ñu toppee ku mel ni Jano bu ko booy toppee il est très. sentir nga ni musique bi kenn yàqu ngi dem. Euh, non non kenn yàqu xam nga en fait euh, ay concept là, quoi C'est juste des concepts seulement problème bi il faut que ñu ñu gën repenser quoi, quoi Nous repenser à quoi. parce que mu bañ a dem ci gàmmu divertissement kese il faut moom xarante quoi. parce que même en divertissant dafa laaj aussi nga am moom moom xorom daal moom moom ñam daal voilà di gëstu di gëstu quoi di gëstu di gëstu di gëstu parce que boo amee niveau pour faire de la musique commerciale jaay ko am comme aussi bu ñu la wooyee ci leneen lu ko gën a lu gën tar lu gën a xaay nga nekk ci aussi mais soo nekkee juste ci registre foo bi juste affaire bu simple nii rek pour jaay un jour di affaire boobu day jeex parce que ay ay mode la nee ba affaire bi jeex léegi mu laaj nak benen niveau pour nga bokk dootoo bokk. dootoo bok donc bu boo bëggee bok définitivement da ngay am niveau wa amee niveau mom sauce bi ñu la duggal rek nga. nga safal ko. nga safal wa da ngay doon adja xom ñu wax aja xaw ma daal fu ñu la sanni rek. mu neex mu lay yap ak ginaar rek lepp xam nga. fofu lay jaaree daal la wax nga ak téléspectateur yi lay seetaan. Ah wa ma ngi ak ñi ngay remercier. maa ngi gërëm ñep di. voilà di moom di euh, waaw di gërëm ñëpp daal vraiment Sénégal ak mhm. bi samay xarit sama sama sama famille voilà et puis qui me quoi donc euh, di la gërëm vraiment kontaan vraiment c'était c'était passionnant vraiment et puis bon voilà quoi su amee actualité rek moom incha allah daañu jox ko bu seree au courant yéen laa njëkk jox primauté bi quoi <laughs> merci beaucoup ça a été un réel plaisir d'être avec vous euh, contentement rek la ñuy am saa su déjà di jàkkaarloog ñu mel ni yow euh, contentement aussi tamit le prestige am kon euh, dalal ci plateau. merci beaucoup voilà ni rek lay demee ci sen biir émission ARLA. la di jaajëfal ñëpp ñi nga xamné tay ji jii ñu doon sétane di remercier ñëpp sa su ne damay dégg Cécile Bahna mais dama ci dans ak groupe bu xarañ groupe bu am solo muy ci melni Tata Kia merci beaucoup di remercier aussi tamit Moussa Moussa mi nek ci caméra bi sa su di remercier Ada Ada saa su ne émission arla. Ni nii rek lay démé di remercier équipe bu prestige yépp di len jaajëfal yéen ñi nga xamné ne ngi doon sétane mais bala ma tàggoo rek damay daal di euh, remercier ki nga xamné ne tey ji moo génn ci sañse bu bi muy ki nga xamné moy bax yaay ñu gën ko xam ci euh, touru Pape Gueye numéro 77 308 73 09 moo nekk ci rond point parcelle macha allah fa démé rek dalay défal yu yanj tay mo fi génn merci beaucoup à vous Pape Gueye merci beaucoup ci sañse bu yanj bi prestige yépp ñu ngi lay remercier merci beaucoup à vous yéen spectateurs. je vous donne rendez-vous bientôt Inch'Allah. bye bye.